Je suis Maki Madiba Silla, donc je suis cinéaste, je suis le réalisateur du film euh, Bokande et la Panthère. Euh, alors, aujourd'hui, on est, en conférence de presse pour, euh, parler du film euh, Samaï Bokande la Panthère. C'est un film qui est sur Jules François Bokande, voilà, qui a été international sénégalais, voilà, un des plus grands jours de l'histoire de ce pays. Donc voilà, le film retrace un tout petit peu son parcours, sa vie, et euh, voilà tout ce qu'il a pu accomplir en tant que, en tant que joueur, mais pas seulement, aussi euh, en tant qu'être humain aussi. Et le film a été coproduit par justement euh, Mama Human Project Development, qui, fait son baptême de feu dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la production. Aussi, on a comme partenaire Canal Plus International et, le le FOPICA aussi à Bokandé. J'ai pas entendu. un film fait pour rendre à Bokandé, c'est-à-dire pour le euh, Non, mais c'est un hommage. C'est un hommage à, Jules Bokandé, mais pas que. C'est aussi un hommage à la génération qu'on appelle kr 86. Voilà, c'est toute cette équipe, euh, les Amadou Diop Boy Bandi, les Roger Mendy, euh, voilà, les Papfal, Tchernoyoum, Omar Gessen, voilà, je ne peux pas tous les nommer c'est toute cette génération qui a sorti euh, le football sénégalais entre guillemets des, ténèbres. Parce que le Sénégal est resté 9 éditions, euh, soit 18 années sans se qualifier à la Cannes. Et c'est cette génération qui vient, qui propulse le Sénégal euh, voilà, dans une phase finale de, Cannes. Et j'avais envie de raconter leur, histoire. Et puis c'est eux aussi qui racontent Bokandé. C'est ses amis, c'est ses anciens coéquipiers qui le racontent aussi, qui disent qui il était vraiment. Parce que bon, je pense que c'est important comme je l'ai fait avec l'Abbassocé, ce pays regorge de, de grandes figures, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sportives. On a, on a de grands hommes ici et de, grandes dames aussi qui ont accompli énormément, mais qui malheureusement bon, sont tombés dans l'oubli. Moi, je n'avais pas envie qu'on oublie Bokandé, comme je l'ai fait pour, pour, pour, pour J'avais envie voilà, qu'on reparle de Jules et qu'on sache qui il est vraiment, et que surtout pour les nouvelles générations. D'où l'importance de l'archive. Exactement, d'où l'importance des archives, D'où l'importance de, trouver sa première, toute première télé. Voilà, en 1981, en Belgique, dans une toute petite ville qui s'appelle Tournai, près de Liège, c'est là où j'ai trouvé la première télé de Bocandé. Donc il avait 21 ans. Et euh, voilà, les archives nous permettent aussi de comprendre qui il est. Voilà, et euh, c'est fondamental, en tout cas pour le travail que je fais moi en tant que cinéaste. Voilà, je me considère comme un cinéaste qui, s'attaque plus au patrimoine qu'autre chose c'est important d'avoir des archives pour pouvoir raconter les histoires. Vous voudrais revenir sur le choix du titre qui est et sa définition et la durée du film aussi. Ouais. Donc là, on est sur un film de, 70 minutes. Et Essamay signifie Andiola euh, la panthère. Donc c'était le, surnom de Bokande. Donc euh, voilà, c'est aussi un hommage à la, Casamance euh, du originaire aussi c'est un hommage aussi à la génération 86. Et même en faisant les, crédits euh, euh, du film, le, générique de fin, je me suis rendu compte qu'il y a, y a des gens aussi qui ont, qui ont beaucoup fait pour le sport, pour le football sénégalais. Et donc là, j'ai une pensée notamment pour euh, LH Malik Sissouri, qui, nous, a quittés. Donc voilà, on, on, lui rend hommage à la fin du film et aussi euh, M. Lamine Diak. Donc voilà, j'ai une pensée pour tous ces gens-là, les Joseph Koto, euh, toute cette génération. C'est beaucoup de Sénégalais qui ont sacrifié énormément, qui se sont battus. Euh, parce que je voulais que les Sénégalais comprennent que la canne qu'on a gagnée euh, il y a deux ans, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est le fruit de, longues années de, de, dur labeur, de travail. Et cette génération-là et ces dirigeants-là ont joué un rôle non négligeable. Maintenant, Bon, j'espère que le film va permettre à la génération, à, tout le monde de comprendre à quel point le Sénégal vient de loin. Euh, je veux juste que maman dise quand même un mot, parce que c'est la productrice. D'accord. maa je tudd Macky Madiba Sylla réalisateur donc a fait un film ci euh, son premier film ma ngi ko def ci Laba Socé El Maestro Laba Euh, Son deuxième film ma def ko ci Amath Dansokho donc tey yàlla def troisième film bi ma bi ma def Jules François Bocandé mu mu doon doomu Sénégal boo xamante ne vraiment daf daf ma marqué parce que dafa xarañoon et puis dafa bëggoon Sénégal dafa gëmoon lu muy def moom lépp lu mu bëggoon mooy Sénégal gagné Coupe d'Afrique mais yàlla dafa def ndeysaan moom fekke ko moo tax euh, bu ngeen gisee bande annonce bi dañu wane Sadio Mané dugal penalty bi nit ñi commencé exulter et puis laay jaw ne leen laay jaw wax nañu ne euh, bi match bi jeexee effectivement bi ñu gagné coupe bi c'est vrai que xelam dafa dem ci Bokandé te dafa jooy parce que xam na nu Bokandé bëgg woon coupe bi nu ko yéene won dëkkam nu ko yéene won wa Sénégal donc may wax rek ne c'est important sénégalais ñuy fàttali ñu fàttaliku parce que amna na ay nit yoo xamante dañ dañ fi jaar def ay ay ay def ay jaloore yu yu yu jaloore c'est positif non <laughs> waaw def ay jalo def ay voilà jëf yu rafet merci def ay jëf yu rafet jëf yoo xamante ne euh, waruñu ko faté jëf yoyu normalement seulement waruñu ko faté mais dañ ko wara a

donc ci lay profité ñëw Sénégal football mais da doon dellu dañ dañ ko doon dagg mais xaalis bu dul jeex ay millions lañ ko doon dagg à l'époque mais dëkkam jaraloon na ko Sénégal jaraloon na ko mu nekkoon doomu Casamance nekk doomu Sénégal boo xamante ne tout ce qu'il voulait tout ce qu'il rêvait c'est que le Sénégal brille parce que nit ñi dañu foon football gis sa étoile gis sa dëkk muy briller je pense que ñun on a ressenti ça bu Sénégal gagner CAN bi parce que c'était quelque chose boo xamante ne on avait besoin man dama doon toog naan mais lu tax mënuñu gagné ndax ba mu jullee ba léegi gaañoo ñu mais il ñu gagné man j'ai plus de 40 ans dama bëgg ñu gagné mais bi ñu gagné euh, dafa am benn dafa am lu muy déclenché gagné dafa am lu muy déclenché ci doomu Adama gis sa dëkk muy briller gis sa gis sa dëkk muy yëkkati coupe dafa lay jox benn sentiment de confiance xam nga da ngay gëm sa bopp da ngay gën a gëm sa bopp xam nga xale bu nekk Kédougou bu gisee loolu gis Sadio Mané wala Kalidou Koulibaly yëkkati kub bi danaan ah ok am na lu muy déclenché comme man bi ma nekkee xale ma gis bokkande lu mu déclenché ci man ba voilà 40 ans après ma ñëw def film si moom. waaw archive yi moom dafa am solo parce que sans archive man cinéma bi may def su ma archive du ma du ma def film archive yi mooy da ngay dem seet toujours il faut enfance il faut toujours partir de l'enfance. parce que ñun ñëpp boo xool suñu construction foofu la foofu la lépp tàmbalee parce que koo tu la dana ah maa ngi fàttaliku ba ma nekkee gone archive mooy loolu maa ngi fàttaliku pour fàttaliku nag il faut nga am ay éléments mes photos, mes vidéos. à l'époque, malheureusement, vidéo, bon, c'était pas, c'était pas ça. Donc, que je ma je ko. Mom la ñëk def dem outil archive manam photo, coupe, euh, de journaux et, euh, images. Je yep suma amé lool yep nak ma Je suis commencer sama sama trame ma xol yan nit lay ñu mëna raconter histoire bi. Ama souvent da ngay xol kan moy meilleur xarit bi. Xol je gis nekké xalé. Euh, magam bu parce que moko moko yar moko moko moko téyé ak euh, xaritam yi mënon andal football di football ñoo ñoo lu mën raconter enfance bi une fois nga am lolu ci nga gëna mëna jox consistance ak sa personnage parce que souvent nit ñi da nga leen di xam bu démé ba siiw ba fës mais fu ñu jaar ba exi lolu voilà c'est important donc les arbitres bi lolu lay wax parce que bokane dañ ko suspendre 1981 dafa agresser ben arbitre après ben match mais bon je veux pas spoiler mais match bobu lu tax mu am.

ak eh, ak yeneen nit club eh, Claude Leroy entraîneur bi ko yoroon et tamit gis naa tamit premier entraîneur Bokande bu tudd Jules de Foda di Bokande ne cëpp Europe Belgique ki ko doon entraîné kooku tey mi ngi am 86 ans moom it dama dem ba këram maa ko fekk benn village bu ndaw ba ma ñëwee dafa tiit dafa ne mais <laughs> yow yo <laughs> yow foo jaar ak noo ma xamee noo gisee affaire ma ko dama xool ci internet bi di bind di bind di bind di bind ba ma bind kenn doom ji ne ma mais kooku sama papa la ma ko mais sa papa nag dama ko soxla il faut ma wax ak parce que Bokande moom it ba ma ah man d'habitude léegi mag laa dama feebar du ma wax mais Bokande du Boka du joueur ma ne ko ah bon du sama joueur doon woon sama joueur ma ne ko ma ne Bokande sama doom la woon et sama sama beaucoup touché mu doon nit ko xam. projet développement donc je suis la coproductrice euh, de ce film. C'est une première expérience euh, dans la production euh, cinématographique pour moi et c'était un grand plaisir et un grand privilège de m'investir dans la production de ce film de ce film documentaire parce que Maki Madibasila est un réalisateur qui est engagé, engagé à promouvoir la mémoire et la culture euh, des personnalités euh, qui, ont fait, euh, qui ont une place importante au Sénégal et en Afrique. Mais c'est aussi derrière un, engagement à promouvoir la culture du pays, du Sénégal. On va voir de magnifiques euh, vu euh, de la Casamance notamment dans ce, dans ce film documentaire. Et, j'invite euh, toutes les, personnes, que ce soit les bailleurs de fonds ou les autorités, à soutenir ce type de, projet. Voilà. Quel a été le domaine le plus difficile alors ce qui a été le plus difficile pour nous, c'est de réunir les fonds pour pouvoir finaliser ce, ce film. Euh, c'est un jeune réalisateur, euh, mais très talentueux, très doué. Et, c'est vrai que pour convaincre euh, les bailleurs de fonds, les partenaires pour récolter les, fonds, hein, le, boucler le budget, ça a été, assez difficile. Donc voilà, c'est un budget assez conséquent et on a essayé tant bien que mal de, de le finaliser. Alors le le projet, il a, une durée de 4 ans à peu près, euh, entre le jour où le réalisateur a eu cette idée et la finalité. Une voilà. Alors non, pas du tout, ce n'est pas une coïncidence et on est heureux que l'Institut français ait accepté de le programmer euh, juste avant le lancement de la Cannes. Mhm. Mais effectivement, pour nous, ça faisait du sens et c'est euh, tout à fait dans l'actualité. Alors, votre sentiment euh, après la sortie du après la réalisation Alors après la réalisation, un grand soulagement, euh, le sentiment aussi euh, qu'il, bah voilà, une grande satisfaction. Et puis je me, je, me, dis aujourd'hui que je suis très heureuse en fait d'avoir été déterminée, d'avoir cru au projet du réalisateur. Et je me réjouis que les Sénégalais, les Africains et bah, toutes les personnes du monde entier puissent découvrir ce, film documentaire. Merci. Merci.